Bonjour euh, téléspectateurs de Séninfo, je suis Monsieur Maïsagna. Je suis juriste, euh, expert consultant. <laughs> J'ai eu à intervenir jusqu'à même euh, <laughs> avoir même des, des, avec certaines autorités et tout, bon, y compris même le président. Mais, moi, j'ai dit la vérité. Quand on votait cette loi, j'ai dit que vous allez, le, le marché, on ne peut pas le réguler le marché, l'État n'a pas à intervenir. C'est-à-dire que dans une relation privée, le droit de propriété, il est consacré dans notre Constitution. Vous, vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez un droit que, que la propriété, que la Constitution consacre. Un État vient et dit désormais, c'est comme si demain vous épousez une femme, vous êtes monogame, l'État intervient pour dire que oui, désormais, vous ne pouvez plus être monogame, vous devez être polygame. Mais l'État n'a pas le droit d'imposer certains choix. Alors qu'est-ce qui s'est passé Le propriétaire, quand vous l'imposez de faire baisser, mais il est lié au locataire par un contrat. Et ce contrat-là, il n'est pas indéterminé, puisque le, le, propriétaire, avec six mois, peut donner congé pour vous dire je reprends ma maison, n'est-ce pas, pour, pour, pour reprendre les travaux. Quand vous sortez, il va prendre, il va réparer, il va donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que le gars a, a le temps d'aller au tribunal pour amener le propriétaire pour dire que j'ai bénéficié d'un droit de péremption quand vous... Non, ça, ça n'existe pas. Donc, quand vous intervenez pour faire baisser les coûts, vous allez uniquement créer un retour de bâton. Cela veut dire que quand vous touchez au marché, le marché va revenir plus fort pour taper sur vous. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de faire baisser, les prix ont augmenté. Moi, à l'époque, j'avais dit aux gens de faire, la de, faire calculer la surface corrigée pour augmenter. L'État a appliqué la même proportion. Et cette proportion de baisse, ça a été déterminé de façon vraiment euh, euh, aléatoire. Parce que quand on dit que les, les, les, contrats de moins de 150 000, 40 Ensuite, euh, on dit ceux qui sont jusqu'à, euh, je ne sais même plus, 300 000 ou, on, va mettre 20 euh, Ça ne répond à aucune logique. Et tous les loyers qui sont supérieurs à 500 000, on dit 5 Alors que ces gens-là, <laughs> mais c'est eux qui doivent contribuer puisqu'ils gagnent des loyers énormes. Mais ceux qui faisaient cette loi-là, c'était des gens qui avaient justement des immeubles parce que la, dame qui, qui, faisait partie de ce comité-là, lui, il ne loue que des trucs de plus de 1 million. N'est-ce pas Il y a certains notaires qui étaient dedans, qui, qui ont plein d'immeubles dans Dakar. Et ces gens-là n'avaient pas intérêt à ce que la loi touche leur loyer. Finalement, comme me disait quelqu'un, euh, la loi, c'est comme Badola, Boudalchiko Badola parce que les moindres revenus subissaient les, locataires qui louaient les, les, plus bas se sont retrouvés à devoir perdre 40%. Et on a fait à l'échelle nationale ce qui s'est passé à Dakar, ne l'est pas à Djamnyadjo ni à Thiès. Imaginez quelqu'un à, à, Kédougou qui louait, qui louait sa chambre à 10 000 francs. Vous lui appliquez la loi, combien il va avoir 6 000 francs. Et pourtant, 10 000 pour une chambre mensuelle, c'est normal. Mais à cause de cette loi-là, il sera obligé de louer à, à 6 000 francs. Est-ce que vous vous rendez compte et pourtant, il n'y a pas une crise du loyer. Quelqu'un qui louait à Thiès sa villa, une villa à 100 000 francs, ce n'est pas un loyer élevé. Donc du jour au lendemain, avec cette loi, il va se retrouver avec 60 000. Vous croyez que c'est logique ce n'est pas parce qu'il y a un problème à Dakar. Quand vous légiférez, vous légiférez. La loi, elle, elle a un caractère impersonnel. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les citoyens de Fongolimbi, de Kédougou, de Marsassoum subissent les contre-coups d'une loi dont les effets nuisibles n'étaient constatés qu'à Dakar. Donc cela veut dire qu'il y a eu vraiment de, l'à peu près dans la gestion de ce, de truc de loyer. Alors qu'il était très simple de faire profiter de plus grand nombre de logements. Aujourd'hui, j'avais dit, l'État n'a qu'à emprunter des fonds. Quand on parle de 100 000 logements, moi je disais, l'État n'a qu'à emprunter des fonds au niveau des, fonds de garantie, des, fonds de pension, n'est-ce pas Vous empruntez des, centaines de milliards sur 50 ans. Vous prenez cet argent, vous commandez, commande publique de logement à toutes les entreprises à l'échelle avec des matériaux locaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des briques qu'on fabrique qui sont des briques de terre vous allez ici, il y a un hôtel sur, la, sur je ne vais pas donner le nom, mais c'est construit avec des briques de terre. Il y en a un à, à Gueltapé, euh, c'est construit avec des briques de terre. Des briques de terre, il n'y a pas de ciment. Le ciment est utilisé uniquement à titre d'enduit. Le principe, moi, comme quand vous prenez un œuf, nen, beaucoup de lait, dans le sens de la longueur nga bës ko toj <laughs> les quand on était jeune on te dit si tu arrives au dëmm nga <laughs> n'est-ce pas donc nen te pourtant boo les nen bien côté bi nga bës ko day toj brique bi noonu lañ ko brique de terre Beaucoup ko tegee comme sensu brique ou ciment dafay toj mais dañ koy teg beneen sens bi comme nen Donc ko mun toj donc loolu noonu brique de terre loolu lay mais brique beaucoup xam ne suuf lañ ko defaree doo jënd ciment mais kon yo da ngay économiser xaalis tous ceux qui sont dans les régions, Matam, poror, les enseignants, tout le monde, mais chacun peut avoir des maisons construites en briques de terre. nga defal ko ay ardoise ëllëg qui moyens parce que l'enseignant n'a pas les moyens de construire une maison de 20 millions de 15 millions donc si construisez en briques de terre nous les logements de Jaxaay qu'on avait fait pour le président Abdoulaye l'État qui avait donné la euh, le terre euh, pardon le foncier qui avait donné la terre donné euh, les réseaux l'électricité l'eau tout ça mais quand ils l'ont fait, <laughs> mais la maison est revenue à, à, à, à 5 millions 500 hors taxe. Si vous, on a utilisé du ciment, si vous avez utilisé la brique de terre, la maison allait revenir à 3 millions, 4 millions. Une maison à 3 millions, 4 millions. Mais tout le monde peut le prendre. Si vous prenez le prix, un jeune enseignant qui arrive avec un salaire de 150 000, mais celui-là, vous pouvez lui imposer cette maison-là, il peut la prendre avec des loyers de 30 000 francs par mois. 30 000 sur une période de 10 ans, 15 ans. Donc il a déjà une maison pour mettre sa famille qui lui appartient. Celui-là, il ne sera pas locataire. À force d'en faire, qu'est-ce qui va se passer Il y aura moins de locataires. Quand il y aura moins de locataires, les propriétaires vont chercher <laughs> partout des locataires. Ils ne les trouveront pas. Ils seront obligés par le marché de faire baisser les coûts. Ça, c'est une façon intelligente de faire baisser les coûts. Mais on y est allé avec la mauvaise manière. Donc, il faut associer les professionnels dans ce métier-là. Ce sont eux qui ont eu à commercialiser le logement le moins cher dans le cadre des projets Diakhaï jusqu'aux logements les plus chers. Moi, j'ai fait les logements les moins chers à 5 500 000 et j'ai fait des logements de 750 millions, les appartements ici à Dakar. Donc, je peux vous donner toute la chaîne de A à Z, qu'est-ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais notre avis, nous, on ne le demande pas. Nous, on est dans notre secteur. On a notre gagne-pain. On se contente. Et on laisse l'État gérer ces problèmes-là. Et...